meeting bi ñu waroon def tout à l'heure à dix heures léegi nañ koy reporté ah. ok kon doo ñëw tey. bon je ne sais pas ndax dina. mais bon maa ngi xool sama yaram yi permettre su fekkente ne tane naa après je passe. bon ok parce que commencé woon naa ci préliminaire yi ba pare donc euh, baa ma yeggali ko rek demain on voit le reste. ah ok d'accord merci. grave leer na ma leen ko teg tànk quoi. وديا باخذ Allô, Talayla, ça va Oui, Marichou Ça va, tu l'en as, yang ci jam Ça va, oui Gis nga dem li ma waxon ah, lepp la def mayu mako dara fepp la fat <laughs> man de damay ragal sax jaaree jaaree fa ñàkk sama jëkkër ji. <laughs> dara méttiwul di yow daa semaine gi ko may dara te jël buntu sànni caabi géej rekk bu ci yërëm dara dara dara ay ay taaley laa taaley loolu moom dafay ëpp moom loolu moom mënuma ko moom. yow mën na nga ren ki nga ne man dafa am loo yërëm ci moom mënul dox waxut. taaley laa moom mu ñëwee ci néeg bi di dama laajte caabi bi. ba lagi la gëjé wax déggaatuma ko ba léegi man damay ragal sax mu jaaré fa muuma muuma danga koy lo ba nga jommal ko rek c'est tout gis nga heure bi waroon naron nako fekk mu jug dem liggéeyi waye dafa biddanti sax ba léegi jugul lima la waxon rek rendi ko res su mën a nekk lay ci lu nek wa ok baxna merci allez au revoir gisagoo dara sax allo Eva ça va voilà en fait euh, foo nekk nii actuellement M'a ngi nii corniche mi à la plage moom ba mu bëggoon gis Alioune est-ce que mën naa la fekk foofu moom s'il te plaît.

say sœur nag dama leen jël def leen comme sœur yi ma bokkal ndey ak baay duma leen def dara lu leen metti luñ ma wax rekk dinaa ko def yow nag dinaa la fonk teral la suturaal la loo bëgg suba ba ngoon jot ma nekk ci di dox ci say waaw loo ma tere ma bàyyi maa ngi yow dund amul boo xamante dafa neex amul boo xam ne bépp jigéen moom nga xewe Mais bon. J'ai assez rêvé. Rabi. Oui. Tu sais, Nakman. J'aime bien, mais je te préfère quand tu es attentionné. Uh-huh. comme les, tu prends soin de moi Vous qui sax ça me donne fiire wala ou la délite pression c'est juste que damay bëgg ngay nekk ak man mais sentir sa présence loolu nekk

ça va Ouais, tu vas bien. Mauvaise. En fait, maintenant le bougon Disney de ce c'est urgent. Je vais ah ok les maintenant, Allez, bisous. Nico. naam Nico. naam. wala Sabi dem. nekkul ci kaw. non nekkul ci kaw xool naa ci kaw e? yépp tàgguwu la fenn waxul day dem fenn. waxu la dara. non tàgguma fenn. comment ça maa ngi woo e ci portable am aussi jotuma ko. xool nga ci kaw terrasse bi. xool naa fépp waaye xool naa fépp. bon ok. bàyyi ma continuer di woote yow. xoolal ma ci kër gi e foofu yëpp quoi. bon xam naa sax sama visite dina la jaaxal mais du dara jàmm la tu sais Sire maak on a eu des antécédents mais yooyu sax à ci duggaat parce que c'est comme si damay indiwaat histoire Un instant bi j'ai tourné la page je suis avec Edou.. et je suis très heureuse avec lui mais juste pour te rassurer rek je ne t'ai jamais trompée c'est vrai nag maak une sunu relation dafa gaaw mais instant Bob, j'avais besoin de ça pour t'oublier De bon rôle, man suis na fu ma la teg raison pour laquelle j'ai fait le déplacement ma suis ba pour t'annoncer personnellement mon mariage. et j'espère que que ñëw si ça te dérange. Sala dañ lay takk. Bah, je te souhaite bonne chance pour ton mariage. li nga bëgg ci mariage bi yëpp yaa nga ko am parce que borom baax nga sa xol dafa rafet mais franchement Salla man mënuma ñëw sa mariage j'ai fait des erreurs mais Salla dama la bëgg ba léegi ba moment je may wax ak yow yow la bëgg

mais j'espère juste que tu nous gardes de bons rapports. avant tout Magia, on était des amis C'est l'ol de Moussa C'est vrai, je t'ai trahi. La lettre de ta mère, procuration, et même la visite chez Pascal. Je leur ai tout donné. Maintenant, tu peux être domagan. Mais maman, si j'ai fait cela, c'est parce que j'avais une bonne raison j'avais le choix entre coopérer ou les laisser te tuer. Et si c'était à refaire, je referais le même choix. Regretter au de ma de quoi ils sont capables. ils ont tué Pascal donc ils n'hésiteront pas à te tuer Nous quelle raison je devrais te croire Pour la simple et bonne raison que nous sommes tous les loxo papa. Ils essaient de brouiller toutes les pistes possibles. Et pour te dire, Mario et Big Boss sont prestataires d'ongles. Amna kenen ku nek nous Et pour que tu avances dans tes recherches, il faut que tu découvres ce client. Et pour cela, je suis prête à t'aider. tu peux disposer de mon Hmm? tu peux disposer de mon briller. <laughs> Hein? Bien sûr. Oh. Pourquoi t'es fâché contre moi, Tu es ma fille chérie. Hier, tu nous avais dit que tu allais venir, mais tu n'es pas venu Voilà, maintenant c'est pour cela que je suis là. <laughs> D'accord, te fâches plus contre moi. Je me pardonnes Tu es ma petite princesse. <laughs> Alors Eva, ça va Ça va. Tu vas bien Hmm? Papa Oui. Et si on allait construire des châteaux de sable Ok, tu vas aller construire des châteaux de sable mm-hmm. Ok, d'accord. Bon, maintenant tu commences, puis je viens t'aider, d'accord D'accord. Attends, attends, attends. Je te tiens ça. Mais quest ben,

man ak yow am na lu gën important loo xam te ne discuter à propos de Mia Eva Mia on l'a conçue par amour suñu gisee man ak yow ñuy xiiroo di ŋaayoo c'est pas bien pour elle man yow on doit s'entendre ñu waxtaan ba juboo ci lépp ce qui s'est passé hier ok ay détails le instant yi nii école tijji na. moroom raw nañ ko. on doit l'inscrire des fois ay papier instant on war discuter ci xool ci bon programme sax lañ ko war a inscrire. Ah, fii nii am na ay écoles yu baax yi nga programme français aussi. Okay. elle va continuer. bon c'est une possibilité mais na xam nga ñi def programme français comme ce genre yi après ñuy nulaar. Nul là. Ah non, mais à vous, <laughs> Parce que s'il y a de très bonnes écoles, en plus le programme sénégalais, il est parfait. Pourquoi pas Pourquoi pas Allez, il faut L'autre, ça ne que régler après. Peut-être. Mais le plus important, ça, c'est la garde de Mia. J'ai plus envie de dire trop en arrière. Nous avons parlé de ce que nous faire..? La garde partagée les donne. Mm. Je ne je n'exige plus que je jox ma sama si tu veux savoir mon que je veux c'est juste passer le maximum de temps avec ma fille et je pense que loolu monde nous comprendre moo sais je sais pas si ça ne ça te dérange pas mais mën na faire fanaan faire ensemble. moo gën xam nga yow suñu waxtaanee dinañ jubóo toi tu es gentil quand tu veux waaw ah, kon je passe la prendre. il n'y a pas de problème. d'accord mais du ma dugg si vous êtes là. j'ai pas envie de me faire assassiner par ton papa. vraiment li nga ma wax yëpp dégg naa ko te je pense que seen couple bi mën na jëm kanam bon pot bi ma ko xamee nag yàggul lu lu baax rek la ma wax ci yow il m'a toujours parlé positivement de toi te je pense que dafa am sa yërmande te looloo ëpp solo léegi nag yow yaa war a sëy nga xam fooy teg sa tànk nga xam tamit looy def ak koy waxal ça, c'est très important aussi. Effectivement. Voilà. Mm. lu c'est vrai bu baax man dit. franchement parler Pod présenté que ko bien xaritam comme que présenté alors euh, alors je te dis bienvenue et dégna ce conseil bu baax rafet luna

ko sax ni que mu di non man je te dis Irma est extraordinaire. en fait man tu imaginer ni mo ko xamé ak légui non ça me fait trop rire. <laughs> non mais juste pour dire qu'en fait quoi. en plus des fois mo

Oui, Nicole. Ça va? Tranquille. Bon, faites-vous une de ce que vous faire fait? C'est mon cœur, c'est mon cœur. Ah ah. D'accord, je vais faire ici. Ok. À tout à l'heure.

ah non tey mon kontaan naa vraiment. kontaan naa trop ah oui. ouais j'ai des courses à faire. non pourtant mën nga tu ba ci kanam yow tamit. ah on s'appelle après inchallah ci kanam. non dama am Non, non, non. Ah. ah d'accord alors à la prochaine. à la prochaine inchallah. Je t'accompagne. allez ciao.

Ah. avant mariage comme ça rien xamante ak moom. Ah, non soo ko indi woon avant mariage moi man moom damay mer. non non moom mooy loolu demee. loolu laay bañ yéen moom sama famille ngeen. Hein. waaw non loolu moom foog mu ko ngeen xamante. non loolu moom effectivement bon elle m'a beaucoup parlé de toi. Mm-hmm. donc euh, et franchement man Salah c'est une fille que je considère comme ma petite sœur. donc euh, bon, mon waxee nouvelle bi dama ci content parce qu'elle m'a beaucoup parlé de toi wax na ma lu baax ci yow donc euh, ba ma waxee dama ko ne juste j'espère juste qu'il va te mériter donc euh, moo taxit ñun dañu koy dénk rek voilà dañu koy dénk euh, di la rassurer tamit wax la ne que c'est une fille formidable vraiment nag c'est dommage qu'on n'a pas eu le temps oui, de se connaître problème de temps juste avant kii mais j'espère juste qu'on va se rattraper inchallah inchallah juste qu'on va se uh-huh. rattraper li am man mooy dama leen di ñaanal rek juste li ngeen dugg xam nga bon

tu es comme son propre grand frère donc il euh, koy jox ay conseils yu baax et que saa yu bëtam de da lay gis donc sur ce je te dis que tu ak fait bi bien am ci moment, je pense que man ngeen di jàppale mm-hmm. voilà donc euh, di ñaan rek yàlla bu yàlla tas yaakaar et puis il y ñu le ba fi ñu bëgg àgg ñu àgg fa Inshallah. Ah, Inshallah, Amin. allah amiin te man gëm naa ne sax loolu avant parce que je, je suis rassuré mm-hmm. en fait je pense que li ma waxoon gis naa mm-hmm. franchement tu es très correct en plus, euh, Gatal même. Merci mon grand. Je suis content. Et je sais qu'il a fait le bon choix. Maintenant, <laughs> hein. mais t'as mis du mot, hein, t'as fait le bon choix. <laughs> non, qu'est-ce que naa loolu. yow mon mort, et que j'ai fait le bon choix c'est parce que l'ol mon nekk.

boss rey Pascal information sur actuellement nous sommes au même stade que Momo Pascal information yi mu doon Momo actuellement nous sommes sur le même stade est-ce que c'était la meilleure solution Mario rey Pascal moo solution de sécurité maintenant Kiné est la clé de notre mission tant que nous à ak on aura toujours un pas d'avance sur il suffit juste de surveiller pour mon bañ non t'inquiète pas pour ça C'est mon propre dossier le moment quoi je Kine ne peut pas nous trahir par contre monsieur Lopez procuration bi nga defe ni mënuñu doubler prix bi. tu veux qu'on renégocie le contrat. mais pourquoi pas. loolu musuñu ko def ak suñu benn client. boss musuñu am client bu mel ni monsieur Lopez. te bu demee ba procuration bi jaral ko lii yëpp. business business la. waaw. Ah. Mario j'ai une meilleure idée laquelle. Nous récupérer procuration ba pare après nous def lu ñu ok ça marche. Monsieur Lopez Nicole Nicole Monsieur Lopez c'est une employée de pote. ça va. bien merci. bon moom daf venu aider pour nous impliqué dans une affaire de blanchiment d'argent. Blanchiment d'argent Oui. Mais comment vous allez vous y prendre Bon. Everest Group est une société qui commercialise de gros porteurs. Mais ça, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. li souffre am si blanchiment d'argent trafic d'armes et j'en passe ah bon léegi yow sa plan légui bon le plan est simple dañuy def de telle sorte que Pod signe un contrat bu koy lié ak société bi. li ci neex mooy am naa preuve yu concrète yoo xamante ne mën na diigal société bi ainsi que ses partenaires devine. Mhm pot day dick andak ah bon et tu as confiance en elle. rassure-le. Monsieur Lopez, autant vous dire que ça fait un moment que je suis dans cette entreprise. Mon travail, je le fais très bien. Et je ne parle pas beaucoup. Pas de pour le dal. Pod daf la gëm fexeel ñu nit tu as intérêt à réussir te bis boo de senne bonne chance je vous laisse. Cinnamon.